ñu ngi woo ñëpp nela ni que bi pa non du jàllee noonu yële paase na ñu suul ay doomu jàmbur yu ñu bóob te autopsie amu fa waaye bi pare nañu accompagner famille bi mu porter plainte gis nañu avocat yi ñiy war a taxaw pour yóbbu mbir mi ci yoon tey gis nañu gendarmerie mu ubbi enquête waaw yàkkamti nañu ubbi enquête xamuñu fu ñu koy jëmee waaye il faudrait que ñu xamal la ni que enquête indépendante war na fi am pour que ñi leeral mbir mi ñépp ñi nga xam dañ ci laale euh, yoon dina dal seen kaw bu doonul tey dina doon ëllëg ndaxte ñu ñépp xam nañu nan la mbir mi di demee ay plant dina am te danañ ko accompagner famille bi dina déposer plainte te pare nañu pour accompagner ko ba mu yegg fu mu war a yegg donc pour dire que ci kaw plainte boobu am na déjà avocat yi taxaw pour yóbbu mbir mi dina antu tey walla suba waaye nee nañu ni que ñëpp ñi ci laale dana wuyu danañu wuyu bés ci kanamu yoon. donc pour wax leen ni que. Euh, ñi ngi woo askanu Sénégal di woo kuréel yi nga xamante ni ñoom ñooy aar yelleefu doomu aadama. xamal leen ni que li nekk di xew ci Casamance de manière générale. ca Bignona saa yu manifeste ame ñuy jël ay ngannaay di ci boomu doomu Bignona yi. war nañ ci jóg taxaw ñoom. balaa muy gën a ñaaw. parce que yegg fi nga affaire de parce que nit mais nous avons décidé de ne plus accepter de nous faire tuer comme des rats nous avons décidé de ne plus accepter de nous faire tuer comme des pentades... nous sommes des sénégalais et nous croyons en ce pays. on a égorgé nos parents devant nous on implorait l'assistance de l'État aujourd'hui que la paix est définitivement assise sur cette région. Ce que nous constatons, c'est inacceptable. Cette partie du Sénégal qui est debout et qui est devant vous pour dire non. Nous n'accepterons pas que ce pays soit divisé. Nous croyons au Sénégal un et indivisible. Nous avons continué au commissariat central, hélas, où nous avons trouvé le tout nouveau commissaire bombardé en mission commandée, un certain Ibrahim Diallo, qui s'est précipité à courir vers nous, nous avons eu la naïveté de croire qu'il venait accueillir Guy pour lui servir à la limite un café. La surprise était grande de constater qu'il a conduit Guy Marissagnan devant moi dans les grilles du commissariat. Sans même répéter la formule respectueuse de la République, j'ai fait droit. Le Makazamans, c'est la République, fait partie de la République du Sénégal et personne n'y pourra rien. Même pas nous-mêmes. Monsieur le Président Macky Salungari, nous vous interpellons et vous demandons, au nom de la Constitution, au nom de votre prestation de serment, d'arrêter le carnage que vous êtes en train de faire sur les fils de Bignona. On ne peut plus continuer à regarder nos frères avec qui on cohabite, avec leurs épouses, avec leurs enfants, nos frères gendarmes, dégainer et tirer sur nos, nos frères. Nous avons été témoins oculaires de beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire en espérant que la justice fera son travail. Vous avez éliminé la liste. Vous avez tenté d'éliminer la liste nationale. Maintenant que vous savez que ça ne passera pas, vous êtes en train de tenter d'éliminer les candidats. Et la première personne en liste s'appelle Guy Marist Sagnan. Prochainement, ce sera Docteur Ndeynima. Et puis après, Madame Ousmana. Et puis après, qui d'autre Ça ne passera pas. Peut-être oui, mais après avoir passé sur nos cadavres.